jalsa kala dai bani zere labo ko bani kala samai kala dai bani haba ni zer bori ni zer bori ni zer bori ni zere wai borai maraga ni zere ala borai maraga ni zere zai kango labuwa ni ko gani zer bano ha talukula sini zer ga kala haro kankan ni zer Bonsoir et bienvenue sur votre émission Tous à la Fada, le magazine hebdomadaire dédié à la jeunesse nigérienne. Cette semaine annonce les couleurs avec les préparatifs de la fête de Tabaski. eh oui, chers amis de la Fada, 70 jours après la fête de Ramadan, au Djingar Kaina en Germain, on aborde donc la Tabaski ou Sal Leia en Hausa. La Tabaski, c'est avant tout une fête où le mouton est à l'honneur. On l'a d'ailleurs compris à travers la première partie de l'émission avec Mabinom Rabi qui nous a parlé des activités pour les jeunes au cours de la célébration de l'Aïd el-Kibir. Il est aussi coutume qu'après l'effort, ce soit le réconfort. En effet, les jeunes partout au Niger se font plaisir d'animer les nuits ou le lendemain, des fêtes de Tabaski en organisant ou en participant à des manifestations festives un peu partout au Niger. Comment ces fêtes s'organisent cette année Avec qui célébrer ou aller Nos invités se feront un plaisir de répondre aux interrogations que vous vous posez. Chers auditeurs de l'émission Tous à la Fada avec la thématique suivante. Les jeunes et la Tabaski. Quel type de fait, pour quel moyen Pour en parler, nous sommes avec nos amis de la FADA. Quant à vous, la parole vous est aussi donnée pour participer à nos discussions en réagissant sur le thème du jour par vocal au 80 06 88 54. Vous pouvez également recevoir tous nos contenus en envoyant jeune au 80 06 88 54. Tous à la FADA, vous connaissez le principe, c'est 35 minutes d'échange. Vous aurez de la musique en intermède, vous aurez aussi la chronique présentée par Mr. Olivier et la rubrique L'artiste s'exprime. Ladies and gentlemen, si vous êtes OK, décollage imminent. Chers amis de la FADA, nous nous trouvons quelque part dans Niamey. Où exactement il va me dire là où nous sommes. Albora Matarango. An sama wallahi. Ay ma gaci Maktar Abdullahi. jinda makta. Manga cina nergoneo ne irsi kala nongo radio communautaire Zenes fm gudel windora ok wala mo irmane samaria gudel windora samaria gudel windora irin wani gine samburka samaria wal radio jeunesse gudel parce que nous sommes jeunes irma matono gudel jeune emo mo goga jengaro solanda émission o concept on a tous ça la fada nen no ka nen ni nagi cese matono ma merci dondi mm. eh ay ma yogiti abdourahman no garba abdourahman garba bah, seme jeune a cora ko a cire ko mu dum bulle assalamu alaikum dondi donc wa alaikum assalam ay eh, ma yogeti garba ilo abdulaziz garba ilo abdulaziz ay eh, gobo abdulaziz ta dj mo ga yar ga go dj wani ne ngu wani sauti hinna gana ay kukan kata danji faya borno dem musicalement imani no bore ganandi jingoro no go asola bon jinga way go asoli hanna do ne dikai na ma ga wala dj wani indini goygi him carnoma inay gwanno parce que ay a aseni ni mawo daga ya goni no ame voilà parce que ay ku kan ay gite agite no ta jeune fomo ne ya ay be kan go artiste aga salo peta da zara amandir gan fuga adam vere ya go go mc bero no ame mc o matini ginansi eh ay mayo gati garba mumuni hamidu mu mumuna hamidu uko bisemeje nayo igibanyine se gudel vous êtes très choix ici maras il faut qu'il fade am sim fade jareme ça va o pentiro ni non te wala cineno nen day a ah, cinene nen day matini ginen si abdullahi shebu garba namo am sino don ko no choise de no kurunere aro no kurunere <laughs> ni anu bo ngon gwa sumeli fo ke bor mi chafa fa dum bayni chafa ma mi ko no bande bora sengai no matanon ne Il Il Il Vous pouvez aussi intervenir à tout moment, les gars. Merci. Manifestez-vous. Oh, mais vous comprenez. Bazgay mono abanda zankane hein. nem zogo gune. Ta. Erg bag furubatora. Aichora. Mhm. Abdurrahman. Monsieur Dondé Comment préparez-vous la fête de Tabaski Il y a quoi au programme Et eh, Comme euh, toute fête, euh, notamment la fête de Tabaski, mhm. ici dans notre village Goudel, elle est ah préparée dans notre village, Goudal. Ok, qu'est-ce qui est prévu dans notre village Ce qui est prévu dans notre village, c'est justement ce que je veux vous. Fais-nous de ce qui est prévu. On, est trop pressé, mon frère. Ah oui, on <laughs> c'est la fête au village. <laughs> Euh, donc, par rapport à la fête de Tabaski, nous savons que déjà ici à Goudel, au plus tard, à partir de 9h, mm. on commence la prière. Bien sûr. Aussitôt on finit la prière, les Le grand imam va égorger son mouton devant tout le monde. Tout à fait, tout à fait. Auquel nous allons aussi témoigner. Mhm. Après, chacun va rebousser chemin, rentrer chez lui mhm. et faire sa fête tranquillement en égorgeant aussi chacun son, son mouton. Tout à fait. Et mi, et mi Ok. Malgré la fatigue là, parce que c'est les principes de l'islam. Et ah. Goudel, nous, nos grands-parents nous ont appris la solidarité. Tout simplement. Ah, oh, tout le monde. Maintenant, les jeunes aussi, et comment est-ce qu'ils font et comment est-ce qu'ils font Parce qu'on sait que généralement, feje dirni wi a suba riga fonga tirga kuro ner wala bo kugu du da bari fo de kan agati de sherbono go morgo morgo zo tez ken fu morgo du ko jote matina no de o harka de gimanda ne mo cincina no mo bindara mo aran gonda aran kam bonano wala ro isara no aran ko pese go do amisi ka ner go du feto te chese mat kan cinano aran go sur la solte to nous en tout cas à un moment donné on a fait ça donc sur cette question et eh, je préfère que la nouvelle génération s'exprime. La nouvelle génération va donc s'exprimer. oh ma se. Eh, garba MCO mat no jingaro solanda oh, gabo. Jingaro sola irgo go sola bambatati. Okay. Gudal borai se. To. Ir village borai irgo go sola bambati se. Précisément din hamo jingaro din dina hamo hagudin oh dina hamo oh. ha irgo go sola soli se eh, newo oh, radio jeunesse kinora ah, a aron misal ga shono aron go préparer shono go préparer show bambato mo yanga ce qui veut dire que il e famir gin kan choix de sani mais est-ce que nous jeunes on gon kan gon dini ya kan ka choix do jeune nir bar misal parce que aron aron go feto cela matini nense ay mayo ibrahim amadou ibrahim oui matino arango solonda arango bata margunda susuno arango te hmm. matino un jingoro solonda ah ndir ko ba un dir gor garza tere da do nanu invité de oh ngi na mais hmm. considérons que nous on go kade no hmm. donc bore ke invité de bore ke ya kula fas numo jende no bana man en don ko un farame mo alba feto to ko no tant que jeune bon ndir ko ba stagre mon zen was boro a gunde zono ga jine ami famane skan goze nan on ndir ko ba yego so de ne o kan go sewo ne o ndir ko ba jingaro subara activita ki gote si on ndir ko ba yir de gida ya istile mbogo gisenti ha ko gisenti istile ifo no dumano aranga danka ndir ko ba o rouge noir de ne go solo bala kan red no ame kan aro izutu ngo ba kulere bwana zole gis oh. me ka wani mudum bi ko ay cire inshallah <laughs> don guga kar cire ga danjina ton mo ko rozi no gonga ne mo ni seni ne dj wani hay kunno sini se kalbore ganandiya généralement mat no wara ka manda ambiance jingar hani ayo kin edi hmm. ambiance jingar hano ke normalement gojingo, Hane, parce que nous, eh, c'est dans les lois de l'islam. Ngoy, mm. Asuba, nin hame hagu nin activité te nin cours ne rien eh, te zambo rien bo 10 gaban. Mm Danjo di kangi bo e eh, gita contrat. Hmm.

voilà. Nous sommes à Goudel, mesdames et messieurs. Voilà. DJ Wadi à l'instant T s'est exprimé. Aïtchara, Abdelaziz. Constat Fonorti. Jingar Beru, Urdi Jeune, il n'a fait que Gibis Jingar Kaina. irga ban wani experience evra nen ka ba gisi bo amma no mo choice de no ya effectivement effectivement donc il faut nous expliquer donc il faut en kagati eh ige me hawunga nda jingar bero imantafo to donc me hawo bayan ga borai gici kan da bonne me feri bor sin da fondo kan ga koy fete to wadin a gingite fete yango na kan asilam tare man fete ganji fete yango ki ganji fete yango ki man ganji to wadi humbur kuma sai no bayan ga boryan sibin gaima participer fete ido mm. amma jingar be ro boraga ne boy man me haw bala oh. jingar dai no ai ga mu wa wadi banda oh. ai fo ko sai bon ko bala ai ga bem ko sungai kaina bala ko me parce que bayri di bal islam tare ya borigi zikiri sungai ga ganu bala tout ça là ça fait partie quoi voilà ta eh, MC c'est une question opposée maintenant pour réussir ni jingaro on fête de tabaskio MC ku kango mang bomma am sen de peinture ko no de bande boreno imne de boro jeune non man jingaro kanyo ifono bor hima bormt ifono gna kuna ga chab kan jar jingoro non jingar ma jingaro kanyo taru rugo an se garba ay gutu jene maga gudal jene maga kwa ta hadda dai bani ma ni jingaro kani hmm, imne de ni na ni jingar ni jingar tout hmm. tu d'abord nigi ce ci tin marguno jina nim bai kan ziba tin nambori hay kul sinambura ni tino no nuke ci jina tino no ni ce ci jina o oh, tino oh, de sin sintinano a dubbo no nugu ko gu kukure wala du ku no ne ne dai mm. kukan ni ngite de mm. fokke tino mu furnde ni ziba ra bai kan boza goni se wala zam sas ko taribon wala sas sintinano a ir mara irin ko yin kanta yin kanta nigi ce ci no ga ga hamba ni ga yin ra hal gingaro ga ka

hinzanta sino mudu fori kando no ko ngano giti hinzanta wala ko tanki tan nunu gomu kasa mari adu nungu fora nan gomu ko nungu fora hey to ma wala garba wone no warga ko ga hagan jidir keyti se aranga be me c'est la fête au village tout le monde voilà anan fam dambela la fête au village jidir keyti et tout de suite la suite Mesdames et messieurs, nous sommes dans le village de Goudel. À l'instant T, c'était Didiquette. C'était la fête au village, mesdames et messieurs. Nous sommes toujours au sein de la radio communautaire jeunesse de Goudel. Les jeunes et la tabaski. Quel type de fête euh, pour quel moyen C'est le thème du jour, mesdames et messieurs, sur l'émission Tous à la Fada. Cette émission consacrée à la jeunesse nigérienne. Mesdames et messieurs, on va cette fois-ci s'intéresser à la deuxième série de questions. Ah, la vie, c'est un combat. C'est un vrai combat. Puisque la vie, c'est un combat. Mhm. Quelles sont les activités festives qui sont à la mode actuellement et pourquoi, selon vous Sont il à la mode. Sont à la mode. La plupart du temps, selon le constat que moi je fais, mhm. c'est des concerts. Donc des concerts. C'est des projections cinématographiques. Projections cinématographiques. C'est des théâtres. C'est ce genre d'événements qu'on rencontre un peu partout, ici à Niamey, au Niger et en Afrique de l'Ouest pour ceux qui ont fait des pays voisins à l'occasion de ce genre d'événements, que ce soit la fête de Tabaski ou les fêtes de, Noël pour, ceux qui sont des pays voisins. Voilà, ce sont des événements qui sont vraiment en mode ces deux dernières années. Dans ce cadre, Ablaziz, puisque année on est en mode, Arawo Sangoneo jeune dir mi sambu misali ga ifono aran go pour que ngemo imbede kan village ora nge hima ngemo ba funa jingaro han ifono aran go effectivement la sabo kairte ina <clears throat> jingaro maga ina film bambata fo sola kair oh. irréalisé un ah, bon réalisé avec mes collègues eh, to voilà <laughs> to la sabo la sabo kirdi irtegeti za inna émission o ferir kabkan nango gudal samari aranirgo aran mo karan kane ya dinga culture no naran pusi aran an no pusi ma zam dinga irne iro jeune no ine radio jeunesse jeune de dirne film o irne te irma dirandi samari ara kondaga hayuna ufo samari oh. aga tala tumi me

DJ. Les périodes de fête sont très dépensières. Comment vous organisez personnellement face à cette situation Ramde, ba shoko ciaga basho. shoko ba fatanda kanda ne samaria gudalol ko shofora bongo askonda ferante walma caadin basgay utoy seme zama aran kamu <coughs> yadno ana sedde wala DJ salo wonde di semi courant inge bon présenté considérons que o bam fatanda ara rafo Dema ma kuranoro matina na da. Mat matchana sol sol akte ay buttu kare no gnerum ko mo bindel fokir ma kul soli charbandi jina erim stu cher sai kul fane o farisan ni no fa dar naran sba dal mo aran sba turen no aran sba tan noru ma jingoro ni ka baraka bachanim fatandara sisi sano aran matini nen si Agay sha. agaisha no jingoro ga solonda pum ay way jingoro solo wallahi yahanna duma yahanna duma bongogu turu mm. me kap ah, ogte ay turu ay te me kap hay kul ne yiti bazan go mona bazan hay kul asen da kay sida to me no mona kul jere wani aur say me na say mi kura manga aro sona adija na mc zo na ma da an kaci matkina no taro na ranga jere da Assez bon, folon koukourou ya son écoute. <laughs> Bon, année bon, année bon, année bon, année à ressources gagées.

dingiran wo ke normalement din programme sur ti en couple normalement niska no fatan nous boa ne mon boa habillé ne mon boa dans condition que ne mon d'india amen tu vas l'apprécier ça c'est un et de deux dans konongo dombo il faut que voilà dans konongo do il faut que nous kona nungu ka ambiance nugon nous ngum boda hino nini cha amka amka ko sauti elle si elle va accepter voilà dama makani am sin feni misidir gamo kama jingar beru asin gornga dayan yan mamo Hamu mo gabu wari karan bu kare duk gala sun rubuta banan da yamma shi tali banan da yamma eh mc yaro mutu na harka giwa da mc zai ara ifo zai ara sai mu so gaba ara buru mutu na mc zai ara giwa das boro ne ngo ngo bon kukur gnere aro ifo no ara gote babu wala idne no ara ngo dora ni wal usalam ya na sam salam ko bi ko mutinense latif latif mutu na ara ngo jere da wallahi to iro iru mode ruwan da bai kirkina ya yarsin da irkule ko irkwari da yarsin eh to a to mo yida berno eh moro ko ko gol bande jekko si badi ni mu bisinda hala jekko si badi ni madan ka ci ne a to arno ga ci yan garan wanda bai kara sin ai bai kirsin da to aran wanda mutuni ta babai do ni ta mutuna bi wannan ai ko ta babai do da no eh bara ramsi je wallahi da kirse mc kul garin ko no L'artiste s'exprime, mesdames et messieurs, sur l'émission Tous à la Fada. C'est une rubrique consacrée à l'art et ce qui le Mirador, c'est l'artiste que nous allons découvrir sur cette émission. Ensuite, tout de suite, la suite. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présence. L'artiste s'exprime. Vous, vous rappelez certainement de Mirador dans Sarchi. Il était hier sur l'émission Franco Aoussa présentée par la Miss RIP. Nous avions parlé du parcours en question du combattant. Il est né à Zender en 1992, pour rappel. Tout a commencé en 2007 avec le studio Conche. Il a été épaulé d'une manière ou d'une autre par Divis. Il a été inspiré par la Dar West Connection, les artistes rappeurs confirmés Clasher. Aujourd'hui, nous recevons l'artiste Mirador sur l'émission Tout à pour parler en question de ses œuvres artistiques. Mirador Sarchi Dandy la machine te souhaite la bienvenue. Le Big Clasher. Comment tu vas Ça va très bien. Nigel Kozabu. Hey, tout se passe camp. bien. Pour Pono c'est déjà de disponible. 2007, tout a commencé avec le studio Kunche, avec bien évidemment euh, cette chanson, cette chanson qui quand même aussi, euh, n'est-ce pas, a parlé euh, des étudiants. On se rappelle tous en cas de cela vous vous êtes adressé quoi aux étudiants ou c'était quoi le message que vous voulez véhiculer C'était quoi le titre déjà L'étudiant Étudiant, étudiante. Étudiant, étudiante. Mm. Qu'est-ce que vous voulez dire par étudiant, étudiante Pourquoi étudiant, étudiante on oh, dit, lokcodin d'inchina. etudiant ah. igo tabi igo tabi igo tabi sangu misal ga zari tabira wata fono tabo gaban ah, imaudan imaudan donc arndi étudiant ego tabi arna arndo ni mais 9 février ka arne ban ok 9 février 1990 irbi se tu yengo duno après il faut noir après il carité son ambiance faut quoi 40 il faut que tu en ambiance boum boum boum boum y a des places dans ma tête même les petits veulent jouer boum boum y a des places dans ma tête wato wato nous me ramte amte ah, <laughs> wato 2007 non before hein mais c'est un gars roufa eh, ben faisons un canne gochiza 90 Serrani yeah, Le premier album en 98, 10 ans après Nunca. Mais bon, tu fais partie de la deuxième ah génération. Ah Tant Irma Odi, Bum Banda, groupe Osei, parce que vous avez opté pour quoi On deuxième noir, on haram Rubu ah, après. Ah, yo, aussi, Odera. Toi, Irma Single Inca. Donc, Arango Borekan, c'est un single, deux singles, fais gaffe, petit. Voilà. Super. Si on single, qui a un groupe Osei. Groupe Osei. Maintenant, tu après. Irma Fourdura. Deux oh. deux Ainoka. Aïnoka. Ainoka. Ainoka. Aha. Mirador. Mirador Noka. Den nous Nufurundi Ifo. Clash. Clash on est Kairte Sintina. Kairte, Gaïté, le rap n'a pas besoin. Deuxième son. Le rap n'a pas besoin Oh mais. C'est quoi le rap n'a pas besoin le rap n'a pas besoin de pétasses ou de putes. Le rap n'a pas besoin de tous ces arrivistes. Le rap n'a pas besoin de tous ces hypocrites. Le rap n'a pas besoin de guignols habillés. Le rap n'a pas besoin d'hommes forts qui cartonnent, qui te frappent, qui te battent, qui t'imposent sa loi, te pétine sous les champs. Le rap n'a pas besoin eh, d'hommes politiques ni de président de la République. <laughs> J'aime bien ce garçon, c'est un vrai clasheur. Eh, personne n'est épargné sur cette émission. Il clash sur votre. Après, t'es son fou, munafike ici quoi. Mais tu Donc, ah, Non, ne pas munafike, c'est aussi jannaino. Againo ah, mais. Ah mais. Ta. Hey, munaficho oh, alaziro nigalego. Hey, hey. Donc, on qu'est-ce que tu as encore fait Après. Ouais, après. Ah, t'es son fou, il niflo ninde ni flo flo ifono son ay nyangay se ir nyangay après aranda ayman la après da ayman te son hinka sauf sintina karda ayman te ne be bu dwiri bien le ah, ah, hein. songo no no eh, non on me dit oh, songo no kan se songo kulu songo kulu <laughs> manu ganu ganu wandi yo maganu ganu ah. manu ganu ganu Wendia uh, maganu ganu Manu ganu ganu ganu Wendia Dondi mo ganu Manu ganu ganu Mustaf mo maganu ganu Ok, voilà. Mirador, nous sommes à la fin. Nous déjà on a une idée de ce que vous voulez faire. C'est une rubrique de 5 à 7 minutes. Nous sommes à la fin on va lui laisser placer un mot à l'endroit de tous ceux qui kiffent cette émission. Bora kukango giwore guni. Afane mantidu sinbo. Niger mami. Guni ara mi chankango ni binabo. Ay kukango ni binabo akata isi. Inshallah. Ah. Salam alaikum Niamé, salam alaikum le Niger, salam alaikum le monde. Donc moi c'est l'artiste Rafal Maïtobal. Je suis originaire du Dosso. Donc euh, aucun aïgba mchi nigérien est main à Messi. Les artistes, vraiment, à me soutenir. Oui, à me soutenir parce que non, il jeno te cecir mu konde niger mayo andunya ma donc rap mantis fo non donc à me soutenir don di wodi na ki ise quoi ouais. ata sano irban irban à l'instant T c'était l'artiste s'exprime c'était Mirador sur l'émission Tous à la Fada une émission consacrée à la jeunesse nigérienne vous écoutez toujours cette émission à travers les 46 radios partenaires du studio Kalango. Et notre thème d'aujourd'hui est les jeunes et la tabaski. Quel type de fête pour quels moyens Pour en parler, vous l'avez certainement constaté, nous sommes avec les jeunes de Goudel. Le village de Goudel nous a reçus pour qu'ensemble nous puissions parler des activités que ces jeunes mènent. Comment est-ce que ces jeunes comptent fêter Tabaski 2021 Abordons les dernières questions avec nos invités. Quelles sont les alternatives de bien fêter pour ceux qui ont des petits budgets Aïchara, question au destinée à Ceux qui ont des petits budgets, est-ce que vous avez des suggestions pour eux pour que tous les jeunes puissent fêter comme ça c'est doit. Et ceux qui ont des petits budgets, en 1000 francs, 2000, 3000. En fait, à à euh, Ah, toi. kan ba hmm. go bo ase. Bo no nankanda kwa wi. il va se sentir à en des Agono. a très malheureusement mati mais mille non. Oh. Mille frères non. Oh. Oh, Et pas que ici certainement que les événements ne manquent pas à Niamé ce jour-là. Hmm. est quand faut prévoir. Hmm. Et nous, spécialement, pour éviter cet embarras à nos, frères et de Goudel, hmm. nous les avons prévus en show qui n'est autre que la projection d'un film que nous avons tourné, dont l'intitulé est l'aventure ambiguë de Sadi. de qui Sadi. Sadi. Sadi, c'est l'actrice. Et l'ambiguïté, partons de sa définition, on sait que c'est une situation complexe. Tout à fait. Donc, euh, euh, on a dit à nos frères de de Goudel, ah. achetez vos tickets, effectuez le déplacement. 1000 ah. Mille frères, non. vous n'êtes taxi sambo bon mu bonda yadi bonda yadi ndi ay man din talu mat kay go gapo e wada no ay ma chora ala in sanorin kan ni chaka na u ko ba sen zade kan na akul funirgate funa ge goro aran waran go sofa à l'occasion des fêtes il est toujours de rigueur d'appeler les jeunes à bien se comporter tout en prenant du plaisir qu'avez-vous à dire à ces jeunes qui prennent l'alcool afon kogu sugu moto sambugu kogu ngai bon le bandi non est ce que gondi ambaran kanagu tonandi irin zan kai bon e feri pour kim su ko ngay bon lebande pour kim si bore e lebande ngay bande to eh ay dai nukan sene kan akan kan lokaci wara to ni do no gate mo bo ay bum bo de bo mo ay do no gate ba hon kune man nan <laughs> eh bo kunu bo man nan bo <laughs> ay ba nan ay man nan mm. <laughs> wala wala alfaga go rare ah. yite a i man nan amma ai wai ne wana soko no so oh zan so lala su ban ga ka ai gogoi di hana oh. kan ga ci da ya gukwai koi yin ndami diro de ne gite kan ngi ngem halasu gu a mu halasu ga ka amma zo ta wayem koy gate ah, anu ko mu zo ta te ai koy gate me ai ma tunan kai gana me o oh, ya yi nugu oh, nugo general ni bolo bo lokaci bolo ko kargita ba ga man bi ah, ga. ma ta de le fango ni normal fa nugo joni ne 3 meter nim tire ngi ne da mu rugu to kurin su do fa to la. wo kan irga ba zanne ga su hu wato kulu hay kunno sinan accident dingi dingite kala igu ko hanno ngo moro ah. ya kul kai ke kir haran motbon motaran sa hagume porpor bon sa hagu sandi mini kamba karni bine zo kambara ah. aran go ke dir molo molo aran yamre mo aran plan wono pour que bore mis ko bo le bon non mo ne da fu bora mi porpor edim bon kam bore ga karin do anu sero me aka ban mo ba ka sine woni bin ba ka hande ba onda ma hakker se suhur motara mm. sikar porpor bo a ah, a nugo koy ikwarno wala mdu nan kan ku kirkubai to hino nan karan ga bara karan wani azanayi a azanaya makani yote mm. n'a kambuna aranga kyar kamara eh irin ma sanno se ne me no ergo olivier ce olivier mo an no kati bora ga chronique de la fada présente irin mu ko an no olivier se kaina parer me ge ka bu ko mi ci an ka ba mr olivier la chronique de l'émission tout ça la fara et tout de suite la suite Amis auditeurs et auditrices, bonsoir. Dans la chronique de ce soir, nous allons parler de nos ambassadeurs qui nous représenteront à Tokyo. Pour ces 32e Jeux olympiques qui se dérouleront du 23 juin au 8 août à Tokyo, c'est un total de 7 athlètes qui représenteront le Niger dans 4 disciplines, à savoir le taekwondo, la natation, le judo et enfin l'athlétisme eh bien, partis pour défendre les couleurs du pays. Ils se sont entraînés des heures, des jours, des semaines, des mois pour être plus en forme comme jamais. Car aux Jeux Olympiques, c'est du haut du très haut niveau. La compétition, elle est rude. Les nations s'affrontent et jamais de pitié pour l'adversaire, que ce soit l'emblématique Alphaga ou encore la Wonder Woman Amina Seni ou les autres athlètes, la tâche sera dure. Mais on dirait qu'elle l'a déjà été, puisque les conditions d'entraînement, le chaud soleil du Niger n'est pas vraiment l'allié de quelqu'un. Les infrastructures d'entraînement ne sont pas souvent aux normes. Dans certaines disciplines comme la natation par exemple, eh bien, l'accès à une piscine d'entraînement aux standards internationaux est difficile. Mais puisque impossible n'est pas nigérien, on garde espoir que les 7 Avengers nous reviendront avec des médailles, allant de l'or au bronze. Alphaga, comme le chef de l'État Mohamed Bazoum le dirait, je sais que nous pouvons compter sur toi. Et je sais également que grâce à toi, toute notre équipe très vaillante sera tirée vers le haut. Eh bien, dans l'espoir que nos athlètes feront des merveilles. Prions pour eux et que la chance soit de leur côté. Amis auditeurs et auditrices, c'est la fin de cette chronique. D'ici là, portez-vous bien. Et à la semaine prochaine, beaucoup plus d'inspiration pour vous, pour nous. D'ici là, portez-vous bien. À l'instant T, c'était Olivier. C'était la chronique de l'émission Tous à la Fada. Nous acheminons vers la fin. Les dernières séries de questions, mesdames et messieurs. Achara, Djengaro, subsino dene nam kande ese misali ya na message à l'endroit de la jeunesse nigérienne parce que Studio Kalangu c'est tout le Niger qui écoute c'est 46 radios partenaires il faut non sanno kan go jene do Abdoulaziz voilà donc ke o kay te zan kay se jingaro ga im kay go ngey baba se mm. en attendant im kay im voilà parce que ba ken wani goni si wasu mm. donc ya dinga ah, ça fait partie de l'espoir aussi mm. ma kayni goifu ma fejo foru da ban alboragne wa wasam bu ko nera wat kan kiraran du kure no redi wasu ko gusude mm. wa rega kane Maria Gudel film gona kair sore bore se premier projection wati uh. furiyan piri kaina mhm. da piri bero zangu yin ka zangu taki din sindu zangu taki ni gonda zangu yin ka mm. donc ni mza gare ka dai nango eh, radio jeunesse gudal la fête continue da ba sin de ker kay kur ker bon kar ker ganga dj sani fono non gonda jeunesse pour ko ma danji den fire born dem musicalement parlant bon ayo sanno kin ay gonda jeunesse dai tout comme mon grand l'a dit Nous nous Nous Le lendemain, la journée, tu, hmm. nous voilà, tu te reposes. À 20h, 21h, tu viens ici à la radio. On fait le chanson. Après, après ne te saoule pas, Nous me saouler, tu viens juste au calme. Cette vie de Numka. Voilà. Et puis, film bo c'est un film aussi qui concerne la jeunesse parce que Yamriengara, une projectée, une gounée.

nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Nous sommes à quelques minutes de la fin de l'émission. Mon ami Abdurrahman, je finirai cet émission. Un message, un message très fort à l'endroit de toute la jeunesse. La jeunesse nigérienne qui kiffe cette émission à travers les quatre camps du Niger. Avant qu'on ne finir cette émission, je tiens d'abord à vous remercier d'avoir. Nous sommes ensemble. C'est à moi de vous dire aussi merci de nous avoir accueillis à, venir jusqu'ici au village Goudel pour entendre le message que nous avons mhm. à l'endroit de ce jeune-là. Bien sûr. donc, euh, comme jeune, je suis aussi concerné par la fête. Bien sûr. Donc, c'est de dire que le jour de la fête, restons à côté de nos parents, travaillons avec eux, soutenons l'AI 100%. Parce que beaucoup, quand Gaga, la personne aura un futur lendemain. Et un meilleur lendemain. Tout, Ça, c'est le message que j'ai à l'endroit de toute la jeunesse nigérienne. en général. Et particulièrement pour ceux qui sont à Niamey, plus précisément au niveau des quartiers voisins comme Losugungu, Kosei, Gabgoura, Tonibia, Alain, Yantala, Les etc. Que ici, à Goudel, nous avons prévu un événement qui est la projection de film L'aventure ambiguë des Sadi. Par des jeunes et pour des jeunes. Par des jeunes et pour de jeunes. Dangay. Yemenon Famola, Goudel Jeunesse, Angander Baby Philippe quand Kand côté de Machino, Gana Aranse, Hazawa Salam.